le casting bu nga amna solo euh, le président avec son premier ministre n'ont pas fait un bon casting il contane nañu ci le casting à travers les compétences l'homme qu'il faut à la place qu'il faut le gouvernement bi ñu need the right place comme disent les anglais léegi nag wait and see yaakaar naa ni loolu mu ëpp solo ñu teg l'homme qu'il faut la place qu'il faut parce que compét xam nga les hommes là c'est une présomption seulement de compétence mooy nga am diplôme rek xam nga di diplôme c'est une présomption de compétence comme yi ñu tegal nag ah am na yaakaar te yaakaar naa ñu ñëpp dañ leen war a jàppale parce que kenn ku nekk ci sa domaine am nga ci benn expertise boo xam ni les moyens les ressources humaines les ressources matérielles les ressources euh, financières atteindre cet objectif l'approche par les résultats donc la gestion axée sur les résultats mais man dama opérer un changement de paradigme il faut aller vers la transformation on doit faire des ruptures pour aller vers la transformation que ce soit sur le plan de l'éducation, que ce soit sur la formation professionnelle qui assure le lead actuellement. Il faut dire que la formation professionnelle est devenue un pilier pour la croissance économique de notre pays. Donc, il faut des leviers sur lesquels hein, on doit s'appesantir pour promouvoir notre développement.